sur le plateau de Nîmes la dernière fois, quand il y a eu des problèmes en Gambie, on n'a pas attendu le feu vert de la coalition ou du régime ou de la, du groupe parlementaire. On est allé nous impliquer à la place de l'obélisque et notre implication a été déterminante pour le départ à l'époque de Yahya Diaby. c'est tout cela euh, qu'il nous faut voir comment dépasser. Et le problème, c'est que dans les partis comme, on est souvent comme dans un carcan. Comment sortir de ce carcan pour aller sortir ce que nous avons Ce que nous avons dans le cœur. Parce que ce que nous avons dans le cœur, ce n'est pas des, des questions partisanes toujours, mais c'est des questions d'intérêt général pour le pays, pour les populations pour les femmes, pour les enfants. Et je pense qu'il y a, la presse l'a soulevé hier, et moi en étant porte-parole par accident de l'AFP, par accident, je l'ai dit hier, euh, j'ai eu tellement à marquer, je pense, l'opinion, que la dernière tournée politique, je prends, euh, je ne sais pas si elle est toujours la peine de d'assister, parce que Baye Umar disait que dama galgal góor ñi ñëpp ba ba paa bi rek moo ma deseloon galgaluma kenn ñoo ma doon galgal chaque jour en réalité boo demee ba fës pour ñoom yaa leen di nëbb jant bi du ñu gisati jant bi alors que buuxante gis jant bi gis surtout jant bi asamaan jarul buuxante mais pour eux tu vas le cacher le, le, le, le comment dirais-je, le soleil. Alors que le soleil brille pour tout le monde. En réalité, cette dernière tournée, je pense que après cette dernière tournée, durant la tournée, quelqu'un m'a dit, ma chère, prépare-toi, tournée En réalité, on a fait la tournée, partout où on est allé, Boyek c'est man j'étais gêné et je le disais mais vous là mais là télé Moustapha Agnès wax voulez ak moom bu voulez wax ak man <laughs> parce que man je suis an mais jusqu'à Kermadiabel, j'ai trouvé un fans club qui avait leur banderole pour dire que nous contents si est est ci ni muy taxawee ci parti ça fait beaucoup de ça a créé beaucoup de problèmes au sein du parti et Moussa Agnès a dit li ngeen di def neex na ma parce que élève moo ko liggéey mais loolu buñ nga ko waxalee si sa kanam nawle yépp di ay kifa ñoom bu ñu paree duñu toogati duñu toogati surtout nag nga nekk jigéen te top si kenn parce que à l'époque j'étais responsable régional de l'AFP à Thiès une région très politique porte-parole du parti membre du bureau politique donc au niveau régional à Thiès topp ma si ginnaaw kenn